nous presse à la présentation même ante Bonjour. La désignation du candidat de Benoît Bokeyakar à l'élection présidentielle du 25 février 2024 est de nouveau commentée dans la livraison des quotidiens de ce jeudi. Le journal Enquête ouvre le bal et fait remarquer qu'au moment où Benoît Bokeyakar tarde à dévoiler le nom de son candidat, les prétendants occupent le terrain et battent déjà campagne. En 2012, la coalition la plus importante de l'opposition avait payé cher sa dislocation au seuil de l'élection présidentielle en 2024, la majorité présidentielle court le même risque en tardant à partager le nom de son candidat et à préparer ses militants et sympathisants, lit dans le même journal. Selon l'Observateur et d'autres journaux comme Vox Populi, Macky Sall va dévoiler le nom du candidat de Beno Yakar samedi prochain, une décision qui sera suivie de la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale pour terminer son mandat et accompagner le candidat désigné au scrutin présidentiel annoncé l'Observateur concernant les autres sujets politiques, Sud Quotidien présentent le Sénégal comme une vitrine démocratique sous la menace de l'implosion. La bonne réputation du pays en matière de démocratie est en passe d'être balafrée à cause de la traque systématique de l'opposition, de la régression des libertés individuelles et collectives, de la posture tendancieuse de Dame Justice. Également, écrit-il, l'AS évoque les remous au PDS, l'ex-parti au pouvoir aujourd'hui en quête de nouveaux souffles au moment où éclate de profondes divergences dans ses rangs. Le Soleil annonce le lancement d'un projet agricole du chanteur Babamal, fixer les jeunes dans le terroir avec des projets. C'est l'objectif du chanteur Babamal, note le journal, en précisant que cette initiative sera déroulée à Podor, où est né le célèbre artiste. Wolf Quotidien signale que l'arachide est dans une zone de turbulence. Bosby le jour révèle que le Sénégal, qui fait partie du trio de tête du classement des pays en matière de gestion de la pandémie de COVID-19, s'est retrouvé à l'avant-dernière place concernant la vaccination contre cette maladie. Selon le journal, 8,68% de la cible ont été vaccinés alors que l'Organisation mondiale de la santé recommande à ses États membres de faire vacciner au moins 110% des personnes concernées. Le hic, c'est que les populations résignent à se faire vacciner à cause de rumeurs infondées, Luton dans le journal Bosby le jour. Les éco à sa une, Yusundu reprend sa liberté d'action d'action et par une grande offensive. Le journal Tribune parle du drame de l'immigration clandestine et titre à sa une les pratiques mystiques au cœur des catastrophes. Le journal Vox Populi met en exergue le sommet africain sur le climat. qui prévient contre une autre injustice faite à l'Afrique. Wag Place centré sur les bonnes performances du ministre des Finances. Sport, football. Le journal Record constate que les Lions affichent la forme en attendant leur match amical